Bien d'être 11h à Niamey, au Niger. Chers auditeurs et auditrices, ravi de vous retrouver dans ce deuxième rendez-vous quotidien de votre émission Le Niger sur Kalangou. Je suis Ali Mounke Ousseni, alias Seno, et avec moi, Rukayatou Abdrahman pour la présentation. La technique est assurée par Amina Hassan. Et à l'édition, nous avons la grande dame Adam Adawaki, la guerrière. Bonjour Ruki. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, merci. Super alors Seno, quel est le menu du jour comme d'habitude, Rookie, il y aura le flash d'informations pour débiter. Ensuite, de la bonne musique nigérienne, du loti avec le desk femme du studio Kalangu, du sport avec notre chroniqueur sportif Adam Sariou, sans oublier la culture linguistique. De la rubrique Invité du jour, c'est nous. Nous allons suivre un entretien que M. Sani Jigo a accordé à notre collègue Mokhtar Hamadou sur la refondation du système éducatif nigérien. Nous terminerons avec les messages vocaux de nos auditeurs. Eh bien, installez-vous confortablement et c'est parti pour toute une heure de divertissement et d'information. Sans trop tarder, voici le flash d'information avec Rafika Ataer. Et justement, Rafika est avec nous dans ce studio. Rafika, bonjour. Bonjour, Ruki, comment ça va Ça va très bien. Quelles sont les nouvelles du matin Alors, pour ce matin, l'Office du baccalauréat des équivalences et des examens et concours du supérieur a, dans un communiqué publié hier, fixé la date de la reprise de l'épreuve de mathématiques de la série D de la session 2023 du baccalauréat au lundi 7 août 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Cela conformément à la décision du Conseil des ministres du jeudi 6 juillet. L'OBEC invite par conséquent tous les candidats de la série D qui souhaitent reprendre cette épreuve à se présenter dans leur centre d'examen respectif le lundi 7 août 2023 à partir de 7h30 minutes minuit de leur convocation et de leur pièce d'identité. Rappelons que les épreuves écrites du baccalauréat session 2023 se sont déroulées déroulé du 19 juin au 2 juillet dernier avec un taux de réussite de 25,23%, un résultat en baisse de 3,112% par rapport à celui de 2022. Les autorités ont décidé de la reprise de l'épreuve de mathématiques de la série D parce que des erreurs graves ont été décelées de la formulation de l'épreuve. Ensuite, le calendrier de l'année académique 2022-2023 n'a pas été respecté à l'université Abdoumoumouni de Niamey et des défaillances constatées dans le cadre de l'exécution des activités académiques, indique le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens de l'université de Niamey, Bakim Al-Mustafa, dans un entretien avec une équipe de l'agence nigérienne de presse. Selon lui, les vacances ont été repoussées au 31 juillet, mais à l'heure actuelle, il y a des activités activités académiques qui sont en cours. Il poursuit que 75 voire 80% du taux de l'année académique 2022-2023 a été exécuté. C'est pourquoi il espère envisager pour l'année qui suit une amélioration pour que dès les premiers jours de l'année scolaire, les conditions soient créées pour établir un calendrier qui donnera des charges aux enseignants-chercheurs. Enfin, la 11e réunion des institutions focales nationales du Centre pour les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique de la CDAO-CEREC e s'est ouverte hier à Niamey pour promouvoir le développement des initiatives dans les domaines des énergies renouvelables. L'objectif de cette rencontre est de renforcer la collaboration entre le CEREC e et les institutions focales nationales afin de préciser les besoins d'accompagnement des pays et de faciliter la mise en œuvre des différents programmes et projets dans les États membres. Merci Rafika pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé tantôt, nous allons écouter avec vous l'entretien que M. Sani Jigo nous a accordé, a plus tard à notre collègue Mokhtar Hamadou sur la refondation du système éducatif nigérien. Oui, mais avant, savourons d'abord la première musique de notre sélection d'aujourd'hui. Exactement, c'est nous et je propose ce titre Nagode de l'artiste Medzi. On écoute. Don Alex Petit 2 0 1 7 Tout ce bon, moi je dirais Nagoli. T'as écouté, moi je dirais Nagoli. T'as écouté, moi je dirais Nagoli. T'as bah je le dirais Nagoli moi je dirais Nagoli. T'as écouté, t'as partagé, moi je dirais Nagoli. T'as écouté, t'as critiqué, moi je dirais Nagoli. tu la musique a toujours été mon kiff. Ma maman m'a toujours empêché, mais je finis par la convaincre. Ah je dis simplement à l'amboulaï. mes négos sont forts à la villa. Moi et Hakim sur la tu je te dis bientôt, on t'as des records. Négos t'as la haine contre moi alors que moi je te calcule, même pas. On dit que le temps c'est de l'argent, je vois pas pourquoi je perds de le même pour toi. Je suis tellement puissant que je ferai des victimes quand tu beaucoup toi. dure un putain, ces gars et loup, ils sort des flots très noirs. Tout ce que le faire est bon, moi je dirais Nagoni. T'as écouté goûts moi je dirais à l'état civil, Medzi repose au nom de Mohamed Tambari, artiste nigérien. Il rappe et chante. Medzi s'est lancé dans le hip-hop dès son adolescence en reprenant des morceaux d'artistes américains célèbres. En 2017, il sort le titre Nawode de ce même titre que, et c'est le même titre que vous êtes en train d'écouter, chers auditeurs. Actuellement, il compte à son actif plus de 5 titres. Les polémiques ça paye pas, go, arrête des conneries C'est des tu donnes, c'est des tu fort, pas besoin d'économie Tu veux percer dans la game, mon gars évite le tiercé La musique c'est pas la tambola, waka, et c'est Tout ce qu'elle fait est bon, moi je dirais Nagori T'as écouté, t'as partagé, moi je dirais volé. T'as écouté, t'as critiqué, moi je dirais volé. je dirais Nagoni. T'as écouté, t'as partagé, moi je dirais Nagoni. T'as écouté, t'as critiqué, moi je dirais Nagoni. Naboni, Naboni, Naboni. Nagore, mediyate, alhamdulillah. Nagore, mediyate, alhamdulillah. Nagore, mediyate, alhamdulillah, alhamdulillah. Chers auditeurs, c'était le titre Nagode » de l'artiste Medzi. Maintenant, nous allons écouter la première partie de l'entretien avec M. Sani Jigo. Il est au micro de Mokhtar Hamadou. Monsieur Sani Jigo, bonjour. Bonjour. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez écrit un document sur les réformes éducatives au Niger. Pourquoi vous avez choisi euh, d'écrire sur les réformes éducatives La question, elle est quand même intéressante. Je commencerai par dire que l'éducation, ça a été mon métier. Et je continue à l'exercer d'une autre manière. Et j'ai constaté que depuis tout ce temps, les responsables en charge du système euh, semble ne pas comprendre les problèmes dont souffre notre système éducatif, qui est caractérisé par des taux d'échec massifs, qui ne sont pas du ressort des apprenants, mais des conditions dans lesquelles ils ont été placés pour apprendre et dans les conditions dans lesquelles ils sont évalués. À vous entendre, ce sont les réformes qui ne marchent pas au Niger. Oui, les réformes ne marchent pas. Du reste, l'histoire du système éducatif nigérien montre que il y a une nonchalance vis-à-vis des problèmes de, l'école. Ça, c'était depuis le président Jory. En 1964, déjà, il s'adressait dans un discours à la nation en disant que les programmes en vigueur au sein de l'école nigérienne n'étaient pas bons pour le développement national mais il a attendu lui-même 1971, c'est-à-dire sept ans après, pour mettre en place le comité dédié à la réforme des mêmes programmes. Et ce même projet devrait attendre 1988 pour se matérialiser avec donc la réforme de 1988. Vous voyez bien, un quart du siècle, un peuple qui se rend compte que dans son école, des programmes inadaptés étaient en train d'être fournis et qui attend un quart de siècle pour réformer. Et la réforme de 88 n'a pas été aussi une bonne réforme, c'était une réforme chaotique. La preuve en est qu'aujourd'hui, les mêmes programmes sont en cours et les mêmes difficultés sont toujours là. Vous avez parlé des programmes chaotiques. Selon vous, il faut repenser le programme scolaire ici au Niger euh, Je dirais qu'il faut refonder, repenser le système éducatif nigérien. C'est le titre de mon ouvrage, Refonder le système éducatif nigérien. Parce que toute cette gamme de difficultés dont souffre le système ces acteurs et les apprenants, en fait, sont liés à une panoplie de mauvaises choses stratégiques au sein du système. Les mauvaises choses stratégiques que j'ai identifiées à travers mon ouvrage sont, entre autres, les, suivants. Le système a choisi de se faire animer par du, des ressources humaines non professionnelles, chargées d'enseignement, chargées de, de planification, chargées d'évaluation, chargées de ceci, chargées de cela. Quand je dis chargé d'enseignement, vous n'êtes pas sans savoir que au niveau secondaire, au niveau universitaire, nous avons un système animé par des enseignants sans formation pédagogique. Et alors donc, vous voyez bien la logique dans laquelle on, devrait se retrouver. Et c'est elle que nous récoltons aujourd'hui. Au niveau primaire, où les gens semblent être à l'abri de ces, remarques-là, en fait, les formations fournies par les ENI et l'ENES ne permettent pas à ces enseignants-là d'être percutants sur le terrain. Plusieurs études, et nationales et internationales, ont corroboré cela. Et malheureusement, on continue dans la même lancée. Donc, à vous entendre, ce sont les programmes scolaires qui sont inadaptés et même la formation des enseignants n'est pas au rendez-vous. Oui, la formation, elle est totalement chaotique. Et je vous dis, il n'est même pas rare de voir que même ceux qui ont été formés ne donnent pas plus de résultats que ceux qui n'ont pas euh, reçu cette formation, pour dire qu'elle n'apporte pas un grand plus à la pratique enseignante sur le terrain. Voilà, avant de continuer, marquons une pause musicale avec euh, cet ancien groupe de rap nigérien. Il s'agit bien de DLM Aulo qui nous chante la coque. On écoute. J'assure avec un fleu qui fait une tuerie Je fuck la sorte, je porte mes gangs, pour mes gangs pour la guérilla Je les check le téléphone pour mes big vous avant tous les rude boys. Et eh mec, reste modeste comme le reste à Jamaïque. Va dire finir me jure à Kingston. Avec des tonnes de quoi tu sais, sans zénique, sans matraque, sans tactique, sans tactique. Babylone, Kenshu, d'abord, Bout, Trap, Bout, Reggae. Je représente mon coup, je suis venu, j'ai pas vécu, mais j'ai compris. The Babylon scenes, towards the force. La police, agresse c'est jeunes. La drogue, elle vient de qui tu es. Faut qu'on t'offre de mon pays. Trop de gants cachés sous l'uniforme. Pour le foot du mec, shooté. Pour tous mes dégâts, tu veulent pas de mes Tu peux finir tes jours en prison. Ta vie ne sert que dalle, ne lâche pas les pédales. Je check les faux, je walk pour ma bonne cause. Kim, c'est les CI. Pour tous mes rasta bad boys, lève tes mains dans les airs. Je lève le mic pour te parler de deal, pour te parler de cam, pour te parler de coq, pour te parler de cette drogue qui nous mène à la débauche. La, la coque nous accorde tout le mal nous fort, Les pères d'enfance, je ne joue que par la force. You was the real police fils Pour une idée faire flancher T'es des je suis T'as pas raconté T'es des je suis Fais gaffe au danger Outlaw face au coin des putains ouais faut représenter Plus ma santé Si je pourrais te hanter Seule façon de t'aborder chou chou, chou, chou, Ton enflammé Mon flow te fait des effets Comme ça et tout je suis un virus T'envoies les rimes en plein flétus En plein tursus Une fois de plus on gogo pour mon pays Voilà la haine Ridel M. Aulo, euh, l'un des anciens groupes euh, du rap nigérien qui a énormément contribué à l'évolution du mouvement hip-hop nigérien euh, de 2000 à 2010. Dans sa discographie, de nombreux titres, dont d'un criminel au Mike Le Niger, Le Monde et ses fascistes, La Foule ou encore Rébellion pour ne citer que cela. Eh bien, disons tout simplement que Thiel Moulo aussi hein, écrit toujours des chansons euh, très, très, très, très éducatives qui sensibilisent la jeunesse nigérienne, surtout la jeunesse nigérienne, Can't figure to pull the trigger out. Shout out to my OF niggas and he'll figure. Frontin', frontin' one more time to get you open. Outlaws, they be hopping the train. No supper tokens, why niggas wanna be coming all over with the bad shit? That shit, bitches they wanna be on the bad shit. When my flow's hitting, they know they gotta get it. Chill mode, no, we got flows, we getting best hole, buck hole. The fellas coming back with the tail toes. Wildin' now, for my peoples, for my peoples. Got my peoples getting down without my peoples, yo, it's 9-9. Know you be smoking and doing it nine times. Castle over be hitting mad, only with fat rhymes. Smoking weed, niggas better know we get between. It's girls fellas, they know we good fellas. We punk fellas, and we be still rocking the same. Blue and red palace up in the crib, getting dips, getting mad tips. Catching that nigga Casanova, feeling no magic. Coming back when niggas wanna be getting cracked. Tipping crack with bitches frontin' like they don't sell that. We got bags, we got hats, we getting ours back. Yo, fuck that, niggas know we getting ours back. Con tus dos con sus cameras. Con tus dos letras, pino je croque ou en ou le mal nous escroque. Les pères dansant, ceux qui ne jouent que par la Yo, it's the real hip hop, real niggas wanna get pop. The real shit, shit to be making niggas get drop, drop. changer de corps. C'était là le titre, la coque du groupe DLM Aulo. Chers auditeurs, nous poursuivons avec la suite de l'entretien sur la refondation du système éducatif nigérien avec Sani Jigo. Sani Jigo, certainement que vous avez fait des recommandations. Euh, qu'est-ce que vous vous proposez comme alternative Comme alternative par rapport à la formation des enseignants, d'abord les programmes ne sont pas bons le personnel enseignant et au niveau des ENI et au niveau des, de l'ENS, en fait, c'est un personnel enseignant dans la majorité des cas qui lui-même n'a pas de formation pédagogique. Et comment voulez-vous qu'on forme des pédagogues sans pédagogues Donc voilà le premier problème. Vous voulez dire que les enseignants n'ont pas la vocation d'enseigner Il y a le problème de la vocation, il y a le problème de la formation pédagogique. Il y a problème de vocation parce que tout simplement, aujourd'hui, près de 9 enseignants sur 10 Créés à main dans les classes publiques sont des enseignants contractuels. Donc ce sont des enseignants qui ne peuvent pas se lancer, de la part desquels on ne peut pas attendre la vocation. Donc, il y a ce problème de vocation. Maintenant, il y a le problème de la formation, de la qualité de la formation au niveau des centres de formation euh, des enseignants au Niger. Qu'est-ce que vous vous proposez comme alternative L'alternative, c'est revisiter ces formations-là. Donner les formations qu'il faut au personnel enseignant pour qu'il soit capable d'impacter positivement les destinataires de la formation pédagogique et créer les conditions euh, euh, de, faire en sorte que les mises en stage ne soient pas à tout vent. Aujourd'hui, je vous dis, quand les enseignants sont en formation, on les envoie dans les écoles à tout vent. Donc, il n'y a pas un ciblage de, de position géographique où on a la certitude qu'il y a des enseignants bien qualifiés, bien engagés, qui peuvent impacter euh, les, les, enseignants en formation. Donc, ils peuvent aller sur le terrain et reculer. Deuxièmement, dans notre système de formation d'enseignants, les contenus à enseigner, les programmes ne sont pas enseignés dans les écoles normales. Ce qui fait que les enseignants qui sortent doivent aller sur le terrain pour découvrir ce qu'ils ont à faire. Ils vont donc flotter en début de carrière et ce seraient les apprenants qui feront les frais. Et de l'autre côté, au sein de la formation des enseignants au Niger, on constate que totalement la pratique de l'évaluation n'est pas enseignée. Tous les enseignants formés au Niger n'ont pas appris à évaluer ce qu'ils doivent enseigner, ils n'ont pas appris à corriger des copies. Et vous voyez bien de quel type de problème quand quelqu'un qui n'a pas appris à évaluer doit vous évaluer. Quand quelqu'un qui n'a pas appris à corriger une copie doit corriger votre copie. Vous voyez bien les risques qu'on vous fait prendre c'est comme si on vous dit, on vous oblige d'aller vous faire prendre en charge par un médecin qui n'a pas été formé. Il n'a pas été formé et donc il ne doit pas vous prendre en charge. Mais malheureusement, nos enfants, nous les plaçons dans ces conditions-là pour être enseignés d'abord par du personnel enseignant sans formation pédagogique. Cette situation est amoindrie les capacités d'apprendre de nos enfants. Ensuite, ils doivent être évalués par du personnel enseignant qui n'a pas les compétences requises pour évaluer. Et là aussi, cette disposition falsifie les résultats de nos apprenants, de nos enfants. Et au finish, on devrait se retrouver avec ce que nous avons, les résultats massifs en échec pas parce que nos enfants ne peuvent pas apprendre, parce qu'ils sont, pas parce qu'ils sont euh, moins euh, engagés, pas parce qu'ils sont incapables de comprendre, mais tout simplement parce que les conditions d'apprentissage et les conditions d'évaluation sont totalement dramatiques. M. Nijigo, quel avenir pour l'école nigérienne Il y a un avenir. Je suis euh, un Nigéro optimiste, mais il faut refonder le système éducatif nigérien. J'ai commencé à faire la liste des, difficultés que rencontre notre système éducatif, en fait des pièges, des mauvaises choses stratégiques que l'école nigérienne s'est donnée et qui sont en train de l'enchaîner et lui imposer des prestations médiocres, des prestations médiocres imposées aussi aux acteurs qu'elle utilise et aux apprenants qui sont les destinataires de l'éducation. Nous avons déjà vu que la formation destinée aux enseignants n'est pas bonne. Ensuite, le plan de carrière des enseignants, il est totalement inadapté. D'abord, pour le changement d'échelon, tous les deux ans, vous devrez changer d'échelon automatiquement, c'est-à-dire changement d'échelon avec impact financier. Et de ces conditions-là, l'automatisme dans ce domaine-là dit quoi Ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas sont égaux. Ceux qui réussissent et ceux qui échouent sont égaux. Et finalement, vous voyez bien, l'attrait, ce n'est pas ceux qui travaillent et ceux qui réussissent, mais plutôt les autres qui sont récompensés et les et ceux qui réussissent, ils se trouvent sanctionnés. Et ensuite, de l'autre côté, vous avez euh, le filtre pour passer aux formations qui donnent les grades supérieurs de l'enseignement au Niger. Ce n'est pas la pratique des classes, c'est de la théorie qui vous permet d'accéder aux formations qui vous donnent les grades supérieurs. Et au finish, les meilleurs enseignants d'une manière générale dans les classes n'ont pas cette opportunité-là. Ils sont recalés là, victimes de leur honnêteté, de s'être mis au service de manière résolue de leur classe. La plupart, ce sont des enseignants qui ont abandonné leur charge de classe, qui arrivent à avoir le temps de préparer ces concours théoriques qui n'ont rien à voir avec les parties de classe et conquérir donc les grades supérieurs et finalement avoir les positions pour chapeauter le système, un système qu'ils n'ont pas maîtrisé à la base. Et au finish, ils ne pourront pas gérer, ils ne pourront pas régler les problèmes euh, du système à la base parce qu'ils n'ont pas été capables de les maîtriser avant de, quitter cette position-là. Merci beaucoup, Sani les auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire, n'est-ce pas, c'est nous Oui, Ruki, nous sommes mardi, nous allons parler santé. Exactement, et notre rubrique santé d'aujourd'hui porte sur l'alimentation de la femme allaitante. En effet, la femme allaitante doit respecter certains principes euh, de son alimentation pour qu'elle soit en bonne santé durant toute la période d'allaitement. Elle doit également observer certaines dispositions hein, qui euh, lui permettrait d'interagir avec son enfant. Et quelles seraient les conséquences si la femme allaitante ne respecte pas ces principes Suivant l'entretien de Gungu Mahaman Dantani avec euh, le nutritionniste Abdulrazak Bello qu'elle améliore son alimentation en énergie en consommant euh, plus de céréales, plus de tubercules. Donc, euh, ce sont ces aliments-là qui vont lui apporter de l'énergie. Donc, maintenant, en plus de l'énergie, euh, il faut également que la femme allaitante puisse avoir une alimentation également enrichie en sources de protéines. Donc, à ce titre, les aliments comme les viandes, les poissons, les légumineuses comme le niébé, le soja. Là également, on a estimé euh, les besoins en protéines. Il faut que euh, cette femme allaitante-là puisse avoir à peu près, euh, en fonction de son poids, autour de 60, 70, 80 grammes de protéines par jour à partir des aliments que j'ai cités plus haut. Également, en fonction du fait qu'elle est allaitante, il faudrait qu'elle puisse également consommer certains éléments, notamment certaines vitamines. À ce titre, il est important de noter l'importance d'une vitamine, notamment la vitamine A. Donc, en général, on ne donne pas de vitamine à la femme allaitante après un certain délai parce que tout simplement, lorsque on lui donne dans les premières semaines après l'accouchement, elle a la possibilité de transférer une partie de cette vitamine A là chez l'enfant via le lait maternel. C'est pour dire que il est important que euh, la femme allaitante puisse avoir suffisamment de vitamine A parce que c'est simplement par cela qu'elle va pouvoir approvisionner le lait maternel pour que l'enfant puisse avoir suffisamment de vitamine A et pour ne pas être confronté notamment à la carence en vitamine A. Mais sinon, de façon générale, la femme allaitante a besoin de consommer des aliments qui sont riches en vitamines, particulièrement en vitamine A. C'est pareil pour les autres nutriments, c'est le cas des, des sels minéraux. Il faut également qu'elle puisse avoir une alimentation riche en calcium, une alimentation riche en fer, une alimentation riche en magnésium. Donc tous ces éléments sont importants parce que tout ce que la femme mange, une partie sera transférée dans le lait maternel et l'enfant va pouvoir bénéficier de ces éléments-là. Donc ça, c'est essentiellement des principes qu'il est important que la femme allaitante puisse respecter pour qu'elle soit en bonne santé. Indépendamment de son alimentation, il y a également un certain nombre de choses que la femme allaitante doit faire. Notamment, il faudrait que euh, la femme allaitante puisse interagir avec son enfant. L'interaction qu'elle va avoir avec son enfant, non seulement c'est bien pour l'enfant, mais c'est également bien pour elle. Y a-t-il des risques pour le bébé si la femme allaitante euh, n'observe pas la consommation de ces aliments oui, effectivement, il y a des risques. premier risque, c'est d'abord pour la femme. Lorsque la femme a une alimentation pauvre en énergie, pauvre en protéines, pauvre en vitamines, pauvre en sels minéraux, donc la première conséquence, c'est à son niveau et c'est ce qui fait que souvent, certaines femmes, pendant la phase d'allaitement, certaines femmes vont perdre du poids. Donc, du coup, lorsque cette femme-là perd du poids, elle est en train d'épuiser ses réserves. Et lorsqu'elle épuise ses réserves et qu'elle elle-même devient malnutrie, c'est sûr que cela peut affecter la santé de l'enfant parce que tout ce que l'enfant a comme alimentation, tout ce cela provient du lait maternel. Donc, si la mère est malnutrie, ça va avoir un effet sur la production du lait maternel, ça va avoir un effet sur la qualité du lait maternel et la conséquence c'est qu'il y a de fortes chances pour que l'enfant également tombe dans la malnutrition avec toutes les conséquences qu'on connaît associées à cette malnutrition-là. Quand il va être malnutri, il va être maladif, il va perdre du poids, il va être fragile et malheureusement, ce sont des situations qui peuvent être dramatiques dans certaines situations, notamment avec ce qu'on connaît comme décès associé à la malnutrition infantile. Alors, quels sont les avantages qu'apporte la consommation des aliments conseillés à la femme allaitante Les avantages associés à cette alimentation-là, ça lui permet, un, de ne pas tomber dans la malnutrition, ça lui permet d'être en forme, ça lui permet de ne pas être confronté à certaines maladies, certaines carences, notamment l'anémie. Lorsqu'on sait que déjà avant la grossesse, il y a beaucoup de femmes qui sont anémies et cette anémie va se renforcer avec la grossesse, plus tard avec l'allaitement, surtout lorsque la femme ne suit pas les prescriptions des agents de santé donc ça va être favorable à la survenue des carences. Les avantages, ça lui permet d'être bien sur le plan physique, d'être bien sur le plan psychique, parce qu'on sait qu'il y a une interaction entre certains nutriments qu'elle consomme et son bien-être psychique. C'est notamment le cas du magnésium, du calcium, qui indépendamment du fait que ça a un effet sur la musculation. C'était là la rubrique hebdomadaire c'est Nous allons encore une fois de plus déguster de l'Asie et cette fois-ci, nous prendrons congé des rappeurs pour retrouver l'un des anciens musiciens, chanteurs, compositeurs et interprètes de la musique nigérienne. Il s'agit de John Sofa Kwale avec le titre Dosso et c'est parti.

Maigizo à l'état civil John Sofakule est l'un des artistes originaires de Dosso. Il a débuté sa carrière musicale en 1985. John Sofakule est auteur de plusieurs singles dont Sofakule et Tabou Cisé » avec lequel le public nigérian le connaît plus. Après cette euh, belle sonorité musicale de John Sofa cher auditeur, direction d'Osso, la cité des Armakoy, pour parler du manque du bois de chauffe en brousse. Oui, c'est nous, l'écho des régions d'aujourd'hui nous conduit directement à Dosso, précisément dans la commune de Chota, pour parler du manque du bois de chauffe. Le bois de chauffe se fait de plus en plus rare dans la brousse de certains villages de la commune de Kyoto, région de Dosso, les femmes parcourent plusieurs kilomètres à pied pour aller à la recherche du bois. Quelles sont les causes de ce manque de bois euh, à Kyoto Réponse dans ce reportage réalisé par Barham Hassoumi. toniyan turi inga kati harisintina kan irwane kauya borai irgir ngwarei hinanda alwati banda wane turo agoga sandi borai se gumo gumo wane inga kande wai borai kanga koi ga turo ku kalandi koi hala halanan gumoro matakan salimatu kan kichota kwara borfo ana dinda irdo lahi turo kirgi hinanda nangu sandi dizan kai koi gita gidi ba za su subai ni ko kaldai wukir kan budika ta kai ni foyan ni kan yin si ba ta sai ba yi min fokin yi gaba amma su ku ganera irgi hina dai ni ya mono halga ka o dai irma ne aran sai mo kan sandai follanka nodini kolbu kwara in mu mo igoga diya kanti turi koga a wani sanda ir mahangan wa kan su mana mumuni a ga tonan di irdo kwarabun da tawa ko koi sajo wallahi ko kan ayi bai bar mai hannano ce i bata i ko ti bar mai ko kan ayi ne ce wati din dirgo ne ruwo da yi si karton do ce ga wati din ba almari no go go to du bor karu to no bombo du tur so ngani ka ga hawre te jir wona daga ka hon kun wati din tur so ngani no ni gudu ma hon kuna ni ko ne kala irin diri wani kunai kware kai ne ga hirga mana turi ga gabu turi sino ka kulmo sande yino kai ku kande alwata bar mai yanga no kando wode ni yo ta alwata bar mai yanga in kuna nan kani ga bai labu no wate din kuna ku te gangane no mo turai tan turai fansi ko kai na yi gogo dino sajo sajo bumbura ifo nonan turi wane agoga sandi ir wane gamaira ir mahangan latana mumunu bukari kankati saruso kanga hagoida sajo chota kumino wono aga tonandi irdo da ande sintina ngi ta batama asutonton batama gongo nongorano amma borai gitonton ngi ta la poussée démographique ti jama bayongo songo borai ba tubari kalla kwarai goga beri batan follon kai mono go irse jama'a goga amfani da turo gumu hal turo iga sombu iga kwanda kwar berera donc ne di irsi ga sokon sokon ya hannamo ture kan go irse ir himno gi gayi gayi yan hannu kan ganan imosirse watu kulu irga kai ga irga kagi garmo koine ngure ta kan so ne di tuniyan turo kadai tuirta ya kadai kubo da sabara jiri waran banda kwara banda nun kulu tuir gono amma hun kuna farai non gaita ton yon turo ya ton do bon ko ne ton do bon umuman ton de bon bir no kanga wo sirse gene kanga to kwara kulo kanga nan dai halga ka songo irmo koika wada turi jangai wani ifo kati ya maryan kan letena mumuni bukari aga tonan di irdo jinda dan yanga kai to umma kullu nga gata irko ne turo dan irse imsina ga difore hinna wanno turo irkul wanno ir no gam faninda ga difore hinne isi hinne wasa ga turo kul hagoi donc bore regi kabna char kambarano ir mir wana arzaka kan ir koy no ir ma hagoy char banda dinne ir gata zamin gun chot komno ma gedi fore marjina gwara chot komno hi go fora hinne asihin gu wasa igine muturo amma had bay boray ninga kabdan char kambara irna lakkali tikayr turo ir arzakano ga bor arzaka na sabatmun bor gan arzaka hagoyno niga sajewno ga nigdi irgu a gatir se matkirga bada agu wasirse irgu goida matkirga bada turwiyan o kan sinna monduma harino kan agonda lahani bambata iri wani windan tabo borkulu dai kan wadin aganan sajo am fun konu da halga ka son farai labo albarka am fun iga Yaringa, kangana irma koiga kande ir wani gamba ga ka sinai kangana ir wani sajo amaye matakan ahimanda ir hima ga hariyanda ir wani hinayangaira kan da turi kogo Voilà, on signale que Barham est au bout de la ligne. Allô, bonjour Barham. Oui, bonjour. Matagame. an sama alla mataran sonda no ni bari hangan wo kanite eh, ture kan goga gase no dini labora ne songo chota labora sanga mm -hmm. sata kan labizei eh, lakkal dini wona hago yango beri est ce que sata kan goga wallahi sata yan sino kan godo gore ne wacce ta amma ir bai ka du ONG fo kan ka ne wo ka bon fere marga te bore sai an ti turo masala mo mm go ina bore zuga mo kan gana bore mo goida an kan ti danga zamani wani eh, gazo hmm. inganda charbon ine hmm. wadin aga nan bore ma gurje da tenera kan goga ka mm ઓઇલ બેકું ka kakata amma ne wonje wosi ne wo chotta ka dai o de fore dai kango nge hina kutte wati kulu go gurje de woni oh e matono o ze fore won go go go eske agogu wasa o ze fore ar ar tamakan o ze fore hine ginga e, probléme o gasandi zamu chotta gaberi agaberi o ze fore ni singa daga matukan ara mabumbo o ze fore ni chida oze fore wa a follon dai no gone wo chota le tena linga zanke donc inga hinne isi hin ka to chota ganda kulu mm. wodin fonda rano irgo chet go bon fere wo ton ton mumbo bore sai mu bai kan masala a gono a go bore ta bande mo zamo hun kuna da gune ne wo chota turo a san bore sigi duwa mu modano so wo dole bo jare kala sarmo yan no igo goida okay zama sajo go moru aha to irgin fondo ko kari Voilà, c'était la Barham, euh, cher auditeur. À présent, accueillons Adam Sariou, notre chroniqueur sportif du jour. Bonjour Adam. Bonjour c'est nous. Bonjour Rocky. Bonjour Adam. Alors Adam, nous débutons cette page sport à Zander où le club de, de karaté euh, de la ville et celui de l'université André Salifou ont conjointement organisé une cérémonie euh, de passage de grade en karaté et en taekwondo, n'est-ce pas Oui, c'est nous, ils étaient 13 candidats à passer devant le jury et tous ont été déclarés aptes. Notre correspondant des Zander, Ali Keta, s'est entretenu avec maître Olivier Nestor, ceinture noire en karaté. C'est passage passage conjoint On a organisé entre euh, le taekwondo et le karaté Shotokan. Les élèves étaient là, ils ont suivi le passage et Dieu merci, les examens se sont passés dans de bonnes conditions. Côté de karaté, on a enregistré six candidats. Maintenant, du côté du taekwondo, je crois qu'il y a un nombre de sept. Donc, euh, au total, 13 candidats. Tous les 13 euh, candidats vraiment sont admis. Bon, dans la ville de Zender, en général, les karaté se porte euh, bien, si on peut le dire. Mais comparativement aux années passées, le résultat est vraiment amer ces derniers temps. Mais quand même, il y a des gens qui viennent s'entraîner. Il y a assez d'élèves, je ne sais pas. Le problème se situe à quel niveau. Mais franchement, franchement, comparativement aux années passées, il y a une nette régression côté technique. Mais administrativement, vraiment, ils arrivent à maîtriser certaines euh, techniques. Ça, vraiment, c'est visible au niveau de tous les clubs. Quand vous faites le tour, vous allez voir comment les élèves s'entraînent. Après le taekwondo, parlons à présent de football. Adam, la Coupe du monde féminine se poursuit avec l'entrée en jeu ratée des Marocaines. Oui, l'Allemagne gâche la première sortie du Maroc par une lourde défaite de 6 buts à 0. Le Brésil a battu le Panama sur le score de 4 buts à 0. Demain, la Zambie jouera son deuxième match contre l'Espagne, deuxième du groupe C, avec 3 points en égalité de points avec le Japon, premier du groupe. Le Costa Rica et la Zambie ont 0 points chacun. Adam, à présent, euh, quel est le bilan euh, des pays africains engagés dans cette Coupe du Monde alors c'est nous à la fin de cette première journée des phases de poule parmi les quatre pays africains engagés dans cette Coupe du Monde, à savoir le Nigeria, la Zambie, le Maroc et l'Afrique du Sud. C'est le Nigeria à un point, les trois autres ont zéro point chacun. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui et au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci Adam pour toutes ces infos sportives. Chers auditeurs, il est l'heure pour nous de découvrir notre star du jour et aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Abdelaziz Diabiri Maliki. C'est le président du Conseil des jeunes de Tilabiri. Exactement, président euh, du Conseil des jeunes de Tilabiri. depuis plus de dix ans. Euh, son sens élevé euh, de leadership et sa détermination ont fait de lui une source d'inspiration pour beaucoup de jeunes de la capitale du fleuve. Depuis son arrivée à la tête du Conseil, il s'est battu pour faire entendre la voix euh, de la jeunesse, notamment celles qui sont euh, dans les zones touchées par l'insécurité. Son portrait avec Abdulaziz Hassoumi. Âgé de 30 ans et administrateur de formation, Abdulaziz Aziz Maliki est marié, père de deux enfants. Très actif, Abdulaziz Jabiri Maliki est membre de plusieurs mouvements de jeunes. Il est le président du Conseil des jeunes de Tilaberi depuis 2011. Abdulaziz a reçu plusieurs témoignages de satisfaction décernés par les autorités de la région de Tilaberi qui se sont succédés, mais aussi des organisations non gouvernementales pour les services rendus à la jeunesse du Niger en général et celle de la région de Tilaberi en particulier. Pour être membre du Conseil de la jeunesse, il faut être membre d'une association de jeunesse qui œuvre au niveau de la communauté et qui mène vraiment des activités à caractère volontaire. Et étant scout, quand on voulait faire le renouvellement en 2011, ça nous a beaucoup intéressé et du coup, je me suis dit que mais pourquoi ne pas intégrer euh, cette structure que l'État avait créée pour apporter en tout cas tout ce que j'ai reçu comme euh, euh, connaissance de la vie associative pour l'exercer au sein du Conseil de la jeunesse parce que le Conseil, comme vous le savez, c'est une structure aujourd'hui représentative de la jeunesse où la jeunesse mène des activités pour non seulement aider les autres jeunes à, émerger et également aider en les autorités locales à amener des activités tendant à aider vraiment cette jeunesse. Grandes sont ses ambitions pour la jeunesse, car il voulait faire d'elle un acteur de développement, mais aussi des responsables de demain. Mes ambitions aujourd'hui, c'est de faire de la jeunesse terre de développement. Comme on le dit, la jeunesse, l'avenir de demain. C'est vraiment pour préparer la jeunesse à pouvoir prendre la relève demain. Et également, c'est de faire comprendre à la jeunesse qu'il est possible d'apporter un changement dans la bonne marche du site. Pendant ses mandats, il a été marqué par plusieurs choses telle que la prise de conscience de la jeunesse, et son degré d'implication dans les prises de décision. La chose qui m'a beaucoup marqué, aujourd'hui, quand vous partez dans les zones euh, qui sont difficiles à accès, aujourd'hui, les zones de sécurité, vous allez voir que aujourd'hui la jeunesse s'est transformée à des ambassadeurs pour faire la promotion de la cohésion sociale et de la paix. Aujourd'hui, la jeunesse s'est fortement impliquée dans la gestion au niveau des localités. Aujourd'hui, la jeunesse s'est montrée capable de ce qu'elle peut faire. Abdulaziz Maliki lance un appel à l'endroit de la jeunesse et les ministères en charge de la jeunesse et de l'entrepreneuriat des jeunes. Nous l'avons vu, la plupart des pays qui ont émergé, c'est parce que la jeunesse s'est investie eh, dans l'entrepreneuriat. Il faut que la jeunesse soit autonome. Je lance cet appel, en tout cas à l'endroit de toute la jeunesse aujourd'hui qui attend que l'État les recrute dans la fonction publique, en tout cas de songer aujourd'hui. Il y a plusieurs potentialités que nous avons dans notre pays, et euh, plus précisément dans la région de Tilabéry, que la jeunesse peut exploiter. Et également, la jeunesse doit être aujourd'hui l'exemple, un modèle au sein de la société pour que le changement dont nous voulons puisse euh, euh, venir. Abdoulatif Ayouba a travaillé pendant plusieurs années aux côtés de Abdulaziz Maliki. Il dit être fasciné par son sens élevé de compréhension et de leadership. En lui, il faut d'abord retenir le sens élevé de compréhension et surtout le sens élevé du rassembleur. C'est un grand homme avec euh, un esprit euh, ouvert et ambu de connaissances, euh, en tout cas sur des questions de développement, en tout cas du côté de la jeunesse. Depuis son accession au Conseil régional de la jeunesse, en tout cas, il a toujours œuvré aux côtés des jeunes et je dirais même des coachs les plus marginalisés. Après ce, portrait très inspirant, euh, dégustons ensemble notre dernière musique prévue dans le menu d'aujourd'hui et c'est le morceau Timmy Fonda du groupe euh, Waswang. On écoute. Yes, Salaman, original Waswang Roots. Nas, yes, Cap sur le Chimekwanda 2002. Yes. dingi dingiza. Chimekwanda. Mwaza va. Kujama gorogama. Hey. Sebeza gano mwara wa sanse korufa. Leposola. Leposola. Hey. Masa moja meponda. Hey. Hey. Kujama gorogama. Hey. Hey. Yes. Dingiza. Give me my thunder Mawasafa Hey Kuchama Goragama Hey pas non mora wa sang se foro fa Les boss sont là Les boss sont là Masama je me font là Nigga they was wanga plus au wanga they was nigga Ces niggas sama was se fa nigga wa sang se foro fa J'ai choisi ma voix against la communauté d'Atari Ces questions sans pitié flotte dans lac de cliché. Le songe qu'à faire de moi en en pensant dans ma société Homeboy, we ready to fight Don't lie, don't be afraid to die I got a dream cause I wanna fly to the sky This world seems so and twin My brother's game, root, root, to right, simple like me, my family from the personality where was wrong. I got a shame for people who check my tradition as an destruction. I photos of voice of Jimmy as a solution for them. I got a power to punish all these motherfuckers. Iblis, or just wait my area. Don't worry, broad hood with a nilla. In the true company, I'm just soldier. The soldier of was wanga. Ikuta chimi fonda. Dingiza, dingy dingiza. Give me fonda. Mawazawa, non mora wa sanse korufa le posola le posola hey. masambo jame fonda han dingiza dingi dingiza give me fonda mabasafa hey kocha magora gamba hey sobe sakano mora wa sanse korufa le posola le posola hey. masambo jame fonda yes naka naka ne naka naka naka ne ama ala wadan nakshilala jisi mem langa des pépouilles, des mecs sans couilles qui sans cesse mouillent. Ne parcours d'un sale magouille, mais ne sont pas que l'embrouille. Ne brouille ne serait-ce que l'andouille que de la cour du ghetto. Et pas dans l'underground, beri beri beri yaro. Podcast de fou déjà la trouille avec vos chimio. Kuno et Kekishki là-bas, couloir, si je gros, je zira. Trop de nuit, très tôt, qui bouille, barbouille des textes. Patrouille sur des faces, mais très tôt, sur vous, c'est pas sa porte sur place. Kecho, des cambo fumu calvo, des enrichim à Akala science infuse. La lettre du mic, la diffuse, je crois moi loco. Numéro uno le como, repart à l'attaque, apporte un nouveau dilemme. Un autre thème, Kimi Kimi Fonda, Kimi Kimi Fonda. Ça te fait qu'on commencer, la cible c'est toi, lui ou peut-être moi. Juste pour avoir craché, craché la vérité. Le groupe Waswong est né de la fusion de deux pionniers du rap nigérien Wangari et Wasika en septembre 2000. Le premier album de Waswong est Zoua sorti en 2002 et le deuxième Teni en 2007 de se Encore mot de battre en retraite, il est clair et net que je ne retisserai pas chemin, non. Pas celui sinon Pas celui qui passe par le mic, non. Moi, et Wasson, le Gaskia Mukena, le son Gaskia du Shima et son mou Bam, Soma, la même de Kaya Kinti. De la voix du salut, je n'en sais que dalle tout simplement que la fuite semble dans un train d'état En tout cas, moi je sais que dans le temps, la belle nation d'hier, elle ne réglait pas les comptes. Aujourd'hui, un gens qui vise des places se proclame démocrate. Une fois en place, il passe au règlement de compte. Ces ordures, on les arrête dans Sous son Moutigaba. Un peu Kintiki, Mouna, Wuchi, Tchekumi. Faut d'apprendre à me taire, tant que je vis sur terre et vois les choses pas claires. Non, ma gueule ne pas se terre Est-ce clair? Ah, dingue, dingue, ça. Ah. ça va. Hey! se gano mora wa sang le posola le posola masa mo fonda kan dingiza dingi dingiza give me fonda ma fa mo chama gora gamba so mora wa sang le posola le posola masa mo fonda yes dingiza dingi dingiza give me fonda ma fa mo chama gora gamba so mora wa sang le posola le posola masa mo fonda Après le titre Kimi Fonda du groupe Waswang, sinon on passe au loti du jour. Oui, Ruki, aujourd'hui, cette rubrique sous forme euh, de sketch que nous proposent les femmes euh, du studio Kalangu nous parle d'une euh, tradition que vivent les parents des nouveaux-nés. Il s'agit du fait de prononcer le nom du bébé avant le baptême. En effet, ces noms, annoncer le nom du nouveau-né avant le baptême peut être mal vu selon certaines traditions. Mm. Cela est aussi attribué à tort à la religion musulmane pratiquée par la plus grande partie de la population nigérienne. Le loti d'aujourd'hui nous est clair un peu plus sur ce sujet, on écoute Samira Rouafi et Rekiarimi. alaikum akwai mutum a gidan nan. Wa alaikum assalam ke gora ke ce shigo mana. gaskiya akwai zahi yau gora ya kike lafiya talo kamar yadda kika sani ne na gode Allah to ke kuma me ya fito da ke cikin wannan ranar na wuto daga gidan kawan nan tawa laila aihuwa ta yi jiya kin san kenan na ta yi ne da mata barka ah masha Allah wannan labari mai daɗi to ai dai kin san dai wannan dai ba ya sa ba dai ki hito rana kirkirin ga ki je ki mu barka. ba kya bari ba sai da marece wallahi kina da gaskiya amma kin sani yau ɗaya ne nake da dama sai na ce bari dai in ta in hidda bisa kaina mm, kina da gaskiya to me kika samo mini gora babu wani labari amma kin san ko me me gaya mini bani nan ga gane yaran zamanin nan ban gane ba me kike nufin cewa gaya mun dan in gane ki. Kin ganda da muke yara, sai bayan biki muke fara kiran sunan yaro, kenan kwana bakwai bayan aihuwar shi. Amma yanzu tun ranar da an ka aihu aka fara kiran sunan yaro kuma har ma wai a gusa ranar biki a kai ta har gaba. To ke yanzu kina ganin hakan bai dace ba? E mana a gani na mutane ya kamata su bi galgajiya da al'adunmu kuma da sharuɗan addini. To hakan ba daidai ba ne. Kina gama addini da kuma al'adu. Ban gane ba, ba addini ne bai ce ka a kira sunan yaro sai ranar bikin shi kuma a girmama ranar da an ka aihu kamar sai bayan kwana bakwai nan tak a yi suna. A'a, shi yasa na ce miki kina gama addini da gargajiya kisan da ko shekaran jiya nan mun yi hira tare da wani malami bisa kan wannan zancen to ku tamta mini me ce a cikin addinin mu ana iya kiran yaro tun ranar da aka aihe shi kuma ana iya gusar da ranar suna sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ta ce da ana iya yin biki ranar bakwai bayan aihuwa babu wani hadisi ko kuma aya da yake hana gusar da ranar, biki wani bi akan samun mutum bayya da kuɗi na sayan rago kuma kin san da an ce a cikin qur'ani Allah bai ya dora ma bawansa nauyin da bai iyawa kenan kin gani gusar da ranar biki ba wani laifi ba ne har lokacin da ka samu kuɗin da za ka sayi ragonka. Ah, yanzu na gane da kyawu. Kenan duk wanga lokaci muna nan ga kuskure babba. To, kin gani dai kahin addini ya zo muna amfani ne da al'adu da gargajiya. To tun lokacin muna nan muna yin wasu abubuwa wanda ba mu ƙoƙari mu nemi sani don saboda bambanta wasu al'amurra. To kin gani yau inda na zamna a gida ba ni samun in fayyace wanga abu duka ke gandan shi ne yake da muhimmanci kai dan yawo <laughs> na gode miki gaskiya da kika waye min kai bisa kan wanga abu ba matsala abin da zan iya yi kenan gora to madalla ke gan maraice ya fara yi zan tahiya zan barin to bari in raka ki Voilà, c'était là le loti du jour. Chers auditeurs, dans ce studio, nous sommes aussi en compagnie de Asumana Il est journaliste traducteur en langue Hausa au studio Kalangu. Aujourd'hui, avec lui, on va découvrir ce que signifie le mot infrastructure en français et en Hausa. Vous l'aurez compris, chers auditeurs, il s'agit de la rubrique culture linguistique. Asuman Ashina, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour Kaya, bonjour euh, Seno. Alors, que signifie le mot infrastructure D'abord, je dirais, euh, comme vous êtes euh, au préfet de cela, la réalisation ou la réhabilitation des routes est l'un des points de l'actualité qui domine ces derniers temps au mhm. Niger. Donc ces routes font partie des infrastructures et raison pour laquelle aujourd'hui nous vous proposons de découvrir le mot infrastructure. Infrastructure, donc c'est un nom féminin d'abord, il désigne l'ensemble des ouvrages constituant la fondation ou l'implantation sur le sol d'une construction ou d'un ensemble d'installations. C'est un ensemble d'installations, d'équipements nécessaires à une collectivité. Il existe par exemple euh, des infrastructures sociales, par exemple les hôpitaux, des écoles, des routes. Il y a aussi des infrastructures économiques comme le réseau d'eau, Mm-hmm. d'électricité, des téléphones, des réseaux d'évacuation d'eau, des ports, etc. Donc, je vais tenter un peu en Hausa. Donc, euh, infrastructure. Eh, Hausa ana iya ce mishi kama guinée gine ne da ake yi a doron a Ana iya ce su ɗauka su kama kayan aiki ko kuma wuraren aiki. Misali akwai asibitoti wato quoi? likita. akwai makarantu, akwai hanyoyi waɗanda da a bi. akwai kuma for example misali wato kamfanoni na ruwa na lantarki akwai kamfanoni na waya hmm. da dai sauransu dukansu ana yasa su kama eh, kama gine-gine kama kayan aiki waɗanda al'umma na ƙasa ke amfani da su saboda a ci gaba da sauransu Donc, euh, Merci euh, China, Mungo de Sosei, merci pour euh, cet éclaircissement sur le mot infrastructure. infrastructure. Chers auditeurs, si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Et justement, écoutons ensemble les messages messages vocaux de nos auditeurs. studio kalangu daga karkara kwanni har cikin kominikin kwanni ana waye mu mata kai biskan harka rigakahi na rashin lahiya na ɗiya kuma rigakahi da mata ya kamata su yi na vaccination su ma kuma ana waye mata kai na karkara bisa kan harka tsabta kuma akwai labarun da ya bada da karhe biyar zuwa can gaba kuma da aka saurare kenan mu sai mu ce studio kalangu kamar studio kin mu ce ta mata tun da gaskiya Chers auditeurs du studio Kalangou, c'est aussi et surtout la grande édition du soir, les journaux en cinq langues et notre forum quotidien. Et justement, nous sommes avec Nafisa Adamou Sirfo, notre collègue, pour nous présenter les titres du grand journal. Bonjour Nafisa. Bonjour Ricky. Chers auditeurs, donc à, partir de 17h, vous pourrez suivre nos éditions dans lesquelles vous suivrez euh, à Gingimi où les prix des denrées alimentaires sont en hausse ces derniers temps. Le retrait de la subvention du carburant par le président nigérien serait en partie la cause le cri de cœur des consommateurs sont donc à suivre dans nos éditions du soir. Ensuite, nous irons à Douchi pour voir les maladies animales zoonotiques qui attaquent les animaux depuis le début de l'hivernage. Et le magazine nous amène à la découverte d'un groupement féminin de Moko, région de Dosso, qui pratique différentes activités génératrices de revenus. Voilà, nous sommes à la fin de cette édition de votre euh, émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Rukayatou Abdraman et moi-même Ali Moukela Le plaisir était grand de partager ce moment avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro. À la technique, c'était Amina Hassan et la grande dame Adama Dawaki à l'édition. Sur ce, bye bye.